l'appel à la candidature. Mhm. Pour moi, c'est dans l'échec de le 100 de, de jours. Ils avaient promis aussi wàññi dundu sénégalais alléger dundu bi mais tey l'union ñu annoncé effet d'annonce bi ak lu xaw tey gisuñ ci dara France daal ils avaient dit que bu ñu ñëwee ci réew mi gaal yi n'ai demati am espoir parce que c'est dans l'espoir que ndaw ñi fal mais je pense que bu ma juumul léegi si sa benn kii gis naa benn bato boo xamante ne ndeysaan maa ngi masow loolu di jaale famille aussi mm. gis naa ne toujours chavirement bi gis mm. naa toujours mm-hmm. immigration clandestine mu ngi continuer di wéy de mm. la plus belle des manières léegi nag je me demande où est Boubacar bi nga xamante ne dañ doon takk rajoy ndax le Sénégal dem avec Macky Sall ñooñu bu ñu doon dem immigration clandestine mu taxaw di takk rajo di wax avec le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye du couple Bassir Diomaye Faye et de Sonko, comme j'ai l'habitude de le dire, est-ce que c'est il y a deux Sénégal Ou bien ils étaient payés pour ces gens-là pour que nous dal sur le régime. Hmm. c'est important. Ce li lu ñu aussi c'est que si bu ñu ba ennemi numéro un le secteur informel le secteur informel avait porté beaucoup d'espoir sur le couple Diomaye Sonko Et si nous tey bu ñu ñëwee automatiquement sur le secteur informel la ñu dal dans les marchés ils ont commencé à Thiès commencé à Touba commencé à Kaolack commencé euh, à Kër euh, commencé à Golf à parcel et à Colobane ça c'est ben manque à gagner le espoir bi jeunesse bi toogal ñu war nañu toog d' xool d' abord nan la ñuy fexee ba créer benn cadre boo xamante ni ñooñu dañ fee mën a dem pour mën a daan seen doole pour que pour que emploi yi fi Macky Sall bàyyi ñu jéem leen préserver pour que tey mu mun a am benn espoir bu espoir boobu am mu mu mun a mu mun a judd donc désespoir boobu déjà c' est parce que ndaw ñi boo leen dégloo ci internet hmm. dañuy mel ni benn déception la ñu amagum ci loolu te parce que fekk ndaw ñi ñoo leen fal. beneen aussi nous avons vu un gouvernement boo xamante ne waxam démb ak waxam tey day day toujours méngóol. Parce que dans l'histoire du Sénégal, j'ai jamais vu un Premier ministre, un Premier ministre voir Dara samedi, dimanche moi le contraire, lundi moi le contraire. Hmm. Ça veut dire que, et nous avons vu aussi un, ministre de l'Intérieur, ah, face à face au Sénégal, voir le Ça veut dire que dans sa, euh, Ousmane Sonko, vous nous avons vu dans page, page Facebook, sa page il a dit que mhm. nous ne sommes pas au courant du déguerpissement mhm. qui est pratiquement... Euh, il a accusé pratiquement les, maires et les, présidents du conseil département mhm. Il a dit que c'est eux qui sont responsables. Donc ça veut dire que nous sommes mais nous sommes responsables. Mais lorsqu'il est arrivé à Colobane, lui-même il a dit que le ministre de l'Intérieur, il a circulaire, il a effectivement circulaire le ministre de l'Intérieur. Donc pour moi, rien que pour Djoub Djoub Djoubal, Ousmane Sonko, il faut voir askan balou les maires balou les les les conseils départementaux pour voir sénégalais dëgg. le lundi le même Ousmane Sonko tahouné effectivement kenn warul le ci trottoir le donc des ñu qui effectivement donc il prend sa responsabilité le lundi alors qu'il a refusé de le prendre le samedi il a refusé de le prendre le dimanche. et que le même lundi. si je me trompe pas ou bien mardi. le ministre de l'Intérieur dit que mon circulaire je ne sais pas pourquoi les maires ont l'ont mais ça s'adressait pas aux maires. Et pourtant, nous avons vu noir sur blanc que le ministre de l'Intérieur a écrit effectivement les, mêmes, maires, il faut rappeler au ministre de l'Intérieur, les maires, c'est un membres de l'État. Lorsqu'il y a déguerpissement, on doit écrire, on doit adresser le courrier pour que les préfets et les gouverneurs puissent travailler en parfaite collaboration. donc